Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangou qui sont relayés par nos 52 radios et 7 télévisions partenaires dans l'ensemble du pays. Il vient d'être à 18h passées de 15 minutes. Je suis fils Adam Sirfo au micro. Le thème du forum de ce soir porte sur comment associer les jeunes dans la sécurisation des communautés. Selon l'Institut national de la statistique, la population du Niger est estimée à plus de 24 millions en 2021 les jeunes de moins de 25 ans représentent 70% de cette population. Le Niger, à l'instar de pays de la sous-région, est en proie depuis quelques années à une, insécurité, à une insécurité grandissante caractérisée par des attaques armées-armées, des conflits intercommunautaires, des conflits entre agriculteurs et éleveurs et tout autre phénomène tendant à perturber la quiétude sociale. La jeunesse fait partie des premières victimes de ces conflits et donc sa participation à la prévention ou, ou au règlement monde des différents est essentiel. Alors, quel rôle peut jouer ces jeunes dans la sécurisation des communautés Comment promouvoir la paix au Niger Quel soutien pour cette jeunesse Quels sont les défis liés à la sécurisation de nos communautés Pour tenter de trouver réponse, nous sommes dans ce studio avec euh, M. Abdrazakar Aboubakar. Il représente le Conseil national de la jeunesse. Bonsoir. Bonsoir. Issa Mossi, il est le président de l'Association des jeunes diplomates et politologues, spécialiste en études de paix, de sécurité et des conflits. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'être venu. Chers auditeurs, auditrices, euh, bonsoir euh, et merci de suivre les programmes de Studio Kalangu. Euh, je commence avec vous, Monsieur Isaac Mossi, le président de l'AIJDP. Présentez-nous votre association. merci, Madame Nafissa. Merci à l'ensemble du personnel du Studio Kalangou. nous sommes l'association des jeunes diplomates et politologues euh, nous intervenons dans les domaines de paix, sécurité et démocratie, bien sûr. Mhm. Et euh, il faut savoir que c'est un rassemblement qui regroupe beaucoup de, jeunes mhm. qui sont spécialistes à la matière, mhm. c'est-à-dire qui ont une formation soit en... Spécifique, oui. diplomatie et gestion de conflits, en études de paix, politique de sécurité, en droit également. Donc, en tout cas, c'est des jeunes qui sont spécialisés dans nos domaines d'intervention. Merci donc, oui. Euh, Abdelazak Aboubakar, le Conseil de la jeunesse du Niger, présentez-nous ce conseil. Oui, le Conseil national de la jeunesse est une organisation fêtière de toutes les associations de jeunesse. Mhm. Et c'est un cadre de consultation et de concertation des jeunes donc, euh, elle regroupe toutes les structures de jeunesse du Niger mhm. dans toutes les communes, départements et régions. le conseil a des démembrements. Et au niveau national, il y a une instance dirigeante. D'accord, merci. Donc, euh, comment associer les jeunes à la sécurisation des communautés C'est le thème euh, du forum euh, de ce jour. Je reviens vers vous, Monsieur Issaka aussi de l'AJ2P. Qu'est-ce qu'on entend déjà par sécurisation des communautés Déjà, quand on parle de sécurisation, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire qu'il y a absence de sécurité. Mhm. Qui dit sécurité parle de bien-être, en tout cas, le fait que qu'il y a absence de menaces chez la population, chez les communautés également, parce qu'on parle effectivement de communautés. Mhm. Donc euh, la sécurisation de ces communautés ne, ne veut rien dire d'autre que euh, faire en sorte que cette communauté ou bien ces communautés soient sans danger, mhm. sans menace de quelque nature que ce soit. Mhm. Et justement, quelles sont les situations qui peuvent euh, peut-être perturber la quiétude sociale la quiétude sociale, il faut comprendre que la première menace est le banditisme. aujourd'hui, euh, c'est un fléau qui, qui est apparent dans nos sociétés. C'est pas seulement au Niger, mais c'est un fléau mondial mhm. qui est là. Euh, à part bonissime aujourd'hui, il faut aussi voir euh, le côté bon de de l'insécurité de façon globale. Mhm. Ça peut être insécurité alimentaire, alimentaire mhm. ça peut être insécurité, euh, en tout cas de quelque nature que ce soit. Mhm. Donc il y a plusieurs sortes d'insécurité. Donc mais le quand même la, plus apparente c'est le banditisme aujourd'hui dans, nos sociétés. Le banditisme donc est l'une des situations qui perturbe la sociale. Monsieur Aboubakar euh, du CNJ, euh, qu'en dites-vous oui. ces derniers, vraiment, euh, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur et qui inquiète vraiment, euh, euh, qui nous inquiète au niveau du Conseil national de la jeunesse, mais aussi toute la population. Mhm. Parce que ces derniers temps, c'est les jeunes aussi. Mhm. C'est les jeunes, on voit, il y a des attaques à main armée, à armes blanches. Et tout ça là. C'est un phénomène vraiment qui prend de l'ampleur. Dans D'antan, nos communautés ne connaissent pas ça. Mhm. C'est rare. Et surtout l'utilisation des armes à feu. Mhm. C'est inquiétant. Mhm. parce que nous ne connaissons pas ça, mais là, c'est en train de prendre de l'ampleur. Et c'est vraiment, on doit prendre des mesures idoines pour pouvoir y remédier. Justement, euh, si on sait que la jeunesse, les jeunes euh, représentent plus de 70% de la population du Niger, quel rôle d'ailleurs les jeunes peuvent jouer dans la sécurisation des communautés face à cette situation les jeunes doivent jouer un rôle euh, de premier plan dans la sécurisation de nos communautés. Mm. Parce que, comme vous le dites, les jeunes constituent les 70% de la population. Et même ceux qui sont, euh, ceux qui s'adonnent à ça, sont des, jeunes. Donc, d'abord, au niveau de la conscientisation, les jeunes peuvent contribuer à conscientiser leurs pères sur les questions de phénomènes d'insécurité. Et à part ça aussi, au niveau de ces communautés-là, les jeunes peuvent s'organiser pour pouvoir euh, contribuer d'une manière eh, bénévole mhm. dans la sécurisation des, communautés. Oui, justement, euh, à Niamey, par exemple, dans plusieurs quartiers périphériques, si on peut le dire, certains jeunes se sont réunis en groupe privé plus connu sous le nom de Dambanga pour la sécurisation. Euh, justement, nous avons interviewé un des membres de ces groupes. Je vous propose de l'écouter. Eh, à vrai dire, ce comité de vigilance, c'est une association des jeunes. Donc, une FADA que nous avons créée il y a de cela plus de 20 ans, que nous avons créée ici dans le quartier de Kwarategi. Elle est constituée uniquement par des jeunes, pas de femmes dedans. On a fait pas mal d'activités avant même la création de cette association. Beaucoup d'activités pour la ville. On fait la salubrité. On met l'accent aussi sur la sécurité. À chaque fois, s'il y a quelque chose, le chef du quartier nous appelle pour nous dire il faut sécuriser le quartier. La situation est très critique dans la ville. On trouve des jeunes des quartiers différents et ceux de notre quartier qui jouent avec les armes et s'entretuent. Face à cette situation, on s'est dit il faut faire quelque chose, prendre des dispositions pour protéger nos vies, celles des parents, nos petits frères, nos grands-parents, nos femmes, pour qu'ils puissent vivre dans la paix. Concrètement, il y a un travail qui a plus réussi à 100%, c'est la sécurité. On nous a mis en contact avec le commissariat de la francophonie, avec qui on travaille ensemble. Sincèrement, nous ont aidé beaucoup. À chaque fois, pendant les patrouilles, on ramasse quelques délinquants. Présentement, la situation s'est beaucoup améliorée car il y a des moments pendant les sorties, un jour, deux jours, sans arrêter des bandits. Mais avant qu'on a commencé, on peut mettre la main sur 10 personnes, sinon plus. C'était là donc euh, le témoignage d'un membre de Yombanga, comme on le dit, d'un quartier périphérique euh, de Niamey. Je reste toujours avec vous, Abou Bakar du CNJ. Euh, mais expliquez-nous, quelle est vraiment la, catégorie des jeunes qui s'adonnent vraiment à cette, aux troubles dans les quartiers La catégorie des jeunes qui s'adonnent aux troubles, c'est des jeunes, des fois, qui sont qui n'ont pas d'emploi, mhm. qui sont là à ne rien faire. Donc, au lieu de voir dans quel sens entreprendre, ils choisissent d'aller sur le chemin, le, mauvais côté, le mauvais côté mhm. les gains faciles. Mhm. Donc, dès là, ils s'adonnent à des petits recels et tout ça là. Et ils vont prendre goût et là, ils vont s'adonner et faire plus, de mhm. plus en plus, ils vont aller à, euh, faire des les grands raquettes, et mhm. aussi menacer les populations. Mhm, Donc, c'est les premières catégories des jeunes. Il y a d'autres jeunes qui sont là, d'autres, ils prennent juste plaisir à s'adonner à ces genres d'activités. Et il y a d'autres, c'est un réseau, il y a des gens qui sont derrière, mhm. qui embobinent ces jeunes-là mhm. sur les questions et qui les amènent à mhm. aller sur ce mauvais chemin Et donc, euh, euh, ces initiatives de certains de ces jeunes qui ont pris conscience de la situation qui créent ces genres de groupes euh, de défense, Êtes-vous au courant Quelle appréciation d'ailleurs faites-vous de cette initiative Oui, nous sommes au courant et nous saluons l'engagement de ces jeunes-là mhm. parce que la première sécurité, c'est d'abord les communautés qui doivent se sécuriser eux-mêmes mhm. et cette sécurisation aussi, ces jeunes, le fait d'initier cette organisation, c'est déjà une bonne chose et ce qu'il faut encore saluer, c'est la collaboration avec les FDS. Mhm, mhm. Ça aussi, c'est à saluer. Parce que ça ne sert à rien d'initier ces genre d'organisation et que, les forces de sécurité ne sont pas voilà ils sont c'est pas recadré mhm. ils peuvent aussi s'adonner à d'autres choses mais quand c'est recadré ça permet vraiment euh, d'avoir des résultats probants et permettre aussi à ceux que les FDS les accompagnent, mais aussi d'autres organisations peuvent les sensibiliser mhm. pour les permettre vraiment... les euh, responsabilités Voilà, pour les permettre de comprendre qu'est-ce qu'ils doivent, où, est-ce que, quelles sont leurs limites, mhm, mhm. qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et lorsqu'ils sont dans cette situation, qu'est-ce qu'ils doivent faire, quelles sont les mesures qu'ils doivent prendre. Nous allons revenir vers vous le temps de donner la parole à euh, Isaac Mossi de la JDP. Vous avez plus haut entendu euh, le témoignage d'un jeune membre de Yambanga, les groupes euh, de défense créés dans certains quartiers de Niamey. vous, qu'est-ce que vous pensez de ces genres d'initiative euh, merci, mon fils. En fait, moi, je pense qu'il faut aussi voir les choses de façon claire d'abord, mhm. euh, parce que la création de ce groupe constitue une menace d'abord pour, pour la communauté elle-même. Expliquez-nous En fait, euh, vous savez, à chaque fois qu'on parle de groupe d'autodéfense, mhm. ce groupe d'autodéfense, quand ils sont mal constitués, souvent constitue une menace. Mhm. Je, je m'explique, en fait. C'est que imaginez un groupe de Tour de de qui, qui, affronte, par exemple aujourd'hui, euh, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le banditisme, mhm. c'est un bantisme armé. Et ce groupe de Tour de France non, ne dispose pas des armes. Et à la rigueur, ce sont des armes blanches qu'ils utilisent. Mhm. Euh, le couteau et puis, euh, bon, et les autres aussi, mhm. armes qu'on peut, peut qualifier des armes blanches quand même. Mais les autres bandits aujourd'hui qui sont là, ils sont armés. Donc, exposer ce groupe d'autodéfense ou bien euh, les encourager, c'est comme le conduire à leur propre euh, ruine. Mhm. Moi, je pense que c'est une mission qui appartient au FDS, mhm. c'est aux forces de sécurité d'assurer la sécurité des citoyens. Mhm. C'est pas pour rien qu'on a créé des patrouilles dans, dans les quartiers et puis dans, dans, dans dans les grandes villes. Donc, euh, à vous entendre parler, euh, ces genres de groupes n'ont pas leur raison d'être En fait, c'est pas qu'ils ont. Mais moi, je pense qu'il y a plus de peur que de, que de bien. Parce qu'aujourd'hui, euh, d'abord, c'est quelque chose qui, qui, a, qui n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a duré. Mais Auparavant, c'était, il y avait une proportionnalité en termes de, de rapport de force. Mm. Parce que les bandits qui venaient n'avaient pas aussi des armes. Mm. Donc c'était juste des petits couteaux, des bâtons et tout. Et mais les, les groupes, ce groupe là aussi avait les mêmes armes mm. pour se défendre. Donc aujourd'hui, pas, ce n'est plus le cas. Ça va avec le développement des grandes villes. Aujourd'hui, dans toutes les grandes villes, toute, nation qui, qui se développe euh, fait face au banditisme armé. Mm-hmm. Donc le Niger était une nation, donc elle n'est pas aussi, euh, euh, elle n'est pas, euh, comment on appelle ça mais quand même leur action, oui, mais quand même leur action est saluée parce que quand il s'agit, euh, je, suis d'accord, je salue mhm. leur courage, mhm. mais moi mon inquiétude c'est plus pour leur sécurité mhm. eux-mêmes, parce que il ne s'agit pas de de, de, s'élever la nuit pour partir faire des patrouilles de façon bon, informel, <laughs> euh, pour dire qu'on va protéger les quartiers ou bien la communauté, mhm. mais il faut s'assurer aussi qu'on dispose les moyens nécessaires pour faire cela. Mhm. Ce qui n'est pas le cas. Justement, euh, pour en savoir plus euh, sur euh, cette activité, si elle est réglementée et ce que dit la loi, nous avons interviewé un commissaire de police de Niamey, le commissaire de police Moussa Midou. Il est le chef département service intérieur à l'école nationale de police et de la formation permanente. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. C'est une initiative louable. Il est vrai que la sécurité est qu'une mission régalienne de, des forces de défense et de sécurité. Hein. mais depuis un certain temps, on a constaté que la police à elle seule ne, pas, ne peut pas gérer les questions de sécurité. C'est pourquoi depuis 2014, hein, la police a initié ce qu'on appelle l'approche police de proximité. Et dans cette approche de police de proximité, chaque acteur, euh, chaque personne est un acteur de la sécurité. La sécurité n'est pas le seul appareil des forces de défense et de sécurité. D'où l'implication des jeunes. Ah oui, donc euh, c'est aussi un problème des populations qui doivent effectivement contribuer à cette sécurité. Hmm. Donc c'est pourquoi on a impliqué les jeunes maintenant dans la mise en œuvre de cette politique de proximité. effectivement, euh, quand on essaie de voir la loi 2014 167 R.N. du 17 février 2014 portant attribution organisation du, de la haute autorité à la considération de la paix, à son article 2, il a dit que la, haute autorité l'a chargée d'entreprendre conformément aux orientations nationales en matière de sécurité toute action euh, en vue de favoriser la paix, l'entraide, la solidarité, la sécurité. Donc, le loi prévue dans la prise en charge de la sécurité le Conseil de la jeunesse. Et le Conseil de la jeunesse a des démembrements un peu partout, au niveau régional, au niveau départemental et au niveau communal. Est-ce que vous voyez Donc, au niveau de la police, c'est surtout l'arrêté numéro 120 bar euh, euh, NI bar D bar RAC bar R bar DGPN du 15 mai 2015 portant organisation des commissariat centraux de premier et de deuxième catégorie qui nous permet d'utiliser ces dans la sécurisation des populations. Mhm. Parce qu'il a parlé de, cette loi s'est arrêtée à parler de la création des euh, commissariats de sécurité. Mhm. Et pour la mise en œuvre de la, euh, comment on appelle ça, de l'approche politique de proximité, il y a un comité de vigilance qu'on doit mettre. Ce comité comprend tous les leaders d'opinion, autrement dit l'association de euh, euh les syndicats de transport, la mm. jeunesse, etc. Mm. etc. Mm. En tout cas, toutes les couches sont représentés là-bas. D'accord. La, la jeunesse connaît, vit mieux que quiconque les problèmes et elle connaît mieux les problèmes que quiconque. Donc, c'est pourquoi on, la police les utilise comme acteurs privilégiés pour contribuer à la prise en charge de la sécurité. D'accord. Et donc, euh, depuis l'implication de ces jeunes, euh, euh, monsieur le commissaire, est-ce que vous pensez que la situation sécuritaire dans les quartiers s'est améliorée? Euh, en réalité, ils contribuent significativement. Hein. Euh, même si souvent on, remarque aussi des écarts souvent. Hein. Mhm, mhm. En tout cas, ils contribuent, mais ce n'est pas sans inconvénient parce que la plupart d'entre eux euh, finiront aussi par. D'autres vont profiter de cette situation mhm, pour exposer la population. Mais quand même, ils donnent des résultats appréciables. en termes de renseignements, ils informent la police souvent, ils arrivent pour interpeller des gens avant même de faire appel à la police. Donc, ça nous permet, là où les gens vont fuir, de les arrêter. Et là où on ne peut pas avoir des renseignements, eux, ils peuvent en avoir parce qu'ils ont directement accès mhm. aux populations qui les suivent par rapport au programme. D'accord. Est-ce qu'il y a qui a euh, suivi euh, de votre côté pour euh, vraiment ces jeunes puissent bien pratiquer Bien sûr, parce qu'avant même de prendre le conseil de ce comité de vigilance, on fait une enquête de moralité. Mhm. Donc, euh, ceux qui sont connus pour euh, les, infractions, la commission de beaucoup d'infractions, mhm. ne sont pas du tout associés. D'accord. Et même sur le terrain, on suit régulièrement euh, on se réunit périodiquement, mhm. on s'échange et on les canalise chaque fois. Et cette canalisation, est-ce qu'elle bénéficie des formations oui, les formations, pas de façon euh, formelle, mais quand même, chaque structure, euh, en tout cas, les sensibilise par rapport à leur mission. Mais il n'y a pas de formation spécifique qu'on a fait, sur fait sur. Mais on, leur dit, voici votre mission, voici l'apport que vous pouvez faire pour la population. Chaque fois, par rapport aux dérives, on, on attire leur attention. D'accord. C'était là donc euh, le commissaire de police euh, Moussa Midou, le chef euh, du département service intérieur à l'école nationale de police et de la formation permanente. Alors moi aussi de l'AJDP, peut-être vous avez trouvé réponse à votre inquiétude. Ces jeunes, ils sont recadrés, comme vous l'avez entendu. Non, en fait, réponse <laughs> mm, plus ou moins. Plus ou moins parce que moi je suis satisfait qu'elle mhm. parle du comment on appelle ça, comité de vigilance, mhm, mhm, mais pas en fait police de proximité ne veut pas dire que cette catégorie va se situer aux forces de l'ordre. Non. Moi, je pense que c'est plutôt le, ce comité de vigilance qui doit jouer le rôle de, mm-hmm. Mm-hmm. de, d'alerte en fait mm-hmm. pour pour les pour le FDS et non ça donnait euh, moi je l'ai dit hein. moi je suis d'accord pour que ça soit juste un comité de vigilance mais pas que ces, ces jeunes aussi prendre des armes pour se défendre. Parce que mm. là, on peut, on peut se, retrouver dans l'inévitable, en mm-hmm. fait. Parce que les jeunes aussi, un jeune qui est armé, souvent, il peut se donner aussi à des règlements de compte ou mm-hmm. bien il peut mm-hmm. même s'attaquer aux, pauvres citoyens, en fait. Donc, vous voyez, puisque moi, j'ai été euh, témoin d'une scène, en fait, euh, ici, dans la, la ville de Niamey. Quand vous vous dépassez... Euh, comment on appelle ça, échanger le oui. juste à côté, en face de HSF, l'université marocaine. Mhm. Vous allez voir, il y a le, passage là, le, grand caniveau là, voilà pour non, le grand caniveau où euh, l'eau passe là, donc on a fait. Mhm. Donc il y avait des jeunes qui étaient assis juste à côté mhm. et il y a un jeune qui est venu avec euh, sa copine, je crois bien, sur une moto. Il passait sur le goudron et ces jeunes là, parce que je ne peux pas les qualifier de, de, police de proximité, mais quand même, je suis sûr qu'ils sont en train de jouer presque les mêmes rôles. Parce que ils se sont donnés comme des justiciers, comment on appelle ça Ils ont voulu euh, Voilà, ils ont arrêté même le monsieur. Mm-hmm, mm-hmm. Heureusement, avant qu'il avant avant vienne à son niveau, le monsieur a compris qu'ils ont des armes et puis il a fui. Mm-hmm. Moi, j'étais dans, dans le véhicule, j'ai vu la scène, et puis ils sont retournés se placer, se positionner au même endroit. Parce que pour eux, même le fait de circuler avec une fille, par exemple, la nuit, c'est interdit, interdit, pour eux. Mhm. Alors que, bon, là, ils n'ont pas le droit de, de, faire ce genre de trucs. Donc, Il y a on, des peut avoir situations spécifiques dans lesquelles ils doivent intervenir, oui. On peut avoir d'abus et ça, c'est pas bien. Mhm. Donc, je pense qu'il y a des cas où cette question de police de proximité peut, peut être utile et des cas où, en tout cas, il faut être vigilant aussi. Il ne faut pas leur accorder euh, trop de droits mhm. où ils peuvent euh, se permettre de faire tout ce qu'ils mhm. veulent. Donc je pense qu'il faut aussi revoir les cas. Oui, Aboubacar du euh, CNJ, qu'est-ce que vous voulez ajouter Oui, on a écouté et c'est que le commissaire, le commissaire a, a dit. ça, vraiment au niveau des comités de vigilance qui ont été mis, les jeunes ont été mis à contribution. Mhm. Et ce qui est à saluer et ce qui permet vraiment à la police d'avoir plus d'informations, mm. d'être informée, mais aussi de permettre à la communauté, parce que c'est pas seulement les jeunes, c'est toutes les couches qui sont dans ces comités de vigilance. Mm-hmm. Ça permet à tout un chacun de quelque manière que ce soit de contribuer à sécuriser euh, euh, la communauté. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment euh, un un point significatif mhm. qu'il faut saluer et encourager et vraiment mettre à l'échelle à tous les niveaux, que ça mhm. qu'il y ait des comités de veille, de vigilance dans tous les quartiers, mhm. mais que ça soit vraiment des comités eh, qui sont recadrés, comme il faut que ça soit recadré pour qu'il n'y ait pas vraiment beaucoup d'abus. C'est important, mais ça, ça va vraiment permettre vraiment de juguler les mots, le phénomène dans lequel vraiment qu'on est en train de végéter ces derniers. Mais est-ce que vous pensez que depuis que ces, certaines jeunes se sont engagés euh, à travers ces groupes d'autodéfense, euh, est-ce que vous pensez que euh, la situation sécuritaire a un peu changé dans certains quartiers en proie à l'insécurité Bien sûr, si on prend le cas de quartier c'est un mm-hmm. quartier vraiment qui était en, en proie à une insécurité grandissante où il était impossible de circuler, des fois même en pleine journée, mhm. circuler à certaines heures, à plus forte raison dans les soirées. Mais grâce à ces comités de vigilance, l'implication de ces jeunes-là, en collaboration avec les FDS, il y a eu beaucoup d'améliorations et les, les membres de l'agence du quartier mhm. sont en train même de saluer l'initiative. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres où le fait que les jeunes, qu'il aient plus, parce qu'avant, il n'y avait pas, les gens ne collaboraient pas trop avec mhm. les, les, forces de défense et de sécurité. Mhm. Mais au niveau du Conseil national, on a eu à organiser plusieurs forums et des débats et aussi des, communication, des conférences sur la police de proximité. Mhm. Donc avec les et, justement, est-ce que euh, ces jeunes euh, approchent euh, le CNJ dans ces genres d'initiatives oui. avant de s'engager Oui, les jeunes approchent le, le conseil mhm. qui leur facilite la plupart du temps le contact avec les forces de défense et de sécurité. Mhm. Donc, c'est comme les gens, le, conseil sert d'intermédiaire pour eux, pour leur permettre vraiment euh, d'accéder et avoir le, le soutien de, euh, des forces de défense et de sécurité. Mhm, mhm. Alors, euh, est-ce que peut-être vous auriez quelques exemples de conflits ou bien de problèmes où l'implication de ces jeunes a permis de résoudre le problème Oui, par exemple, pour certains vols de moto, lorsque lorsqu'on voit ces jeunes avec leurs informations, ils permettent de voir, euh, d'avoir qui est, qui est le coupable et permettre de récupérer mhm. les choses qui ont été volées. Mhm. Et aussi, à part ça, à, certains, <clears throat> à certaines heures, il y a beaucoup de cas où les jeunes rencontrent déjà euh, les criminels qui ont fait des forfaitures mhm. en cours de route. Donc, ils laissent ce qu'ils ont pris et prennent la fuite. Donc, ces objets ou autres qu'ils prennent, ils amènent ça au niveau des, des, commissariats mhm, mhm. et on communique dans le quartier, mhm. le propriétaire va aller récupérer. Donc tout ça là, c'est des exemples qu'il faut, euh, que grâce à leur contribution, qui a permis vraiment de contribuer à la sécurisation des, des citoyens. D'accord. D'accord, nous allons donc marquer une petite pause avant de poursuivre cette émission. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, euh, nous débattons autour de la thématique euh, comment associer les jeunes dans la sécurisation des communautés. Euh, les défis énormes face à cette question avec ces groupes de défense créés dans certains quartiers. les gens se, félicitent de ces initiatives. C'est d'ailleurs ce que nous a confié le chef de quartier qui ajoute du, du quartier de Quartegui qui ajoute que depuis l'instauration de cette initiative l'insécurité a diminué. On l'écoute. Il a un temps où on commettait fréquemment des meurtres au quartier Kwartagi. Devant cette situation, les jeunes du quartier se sont concertés et ont rencontré le chef du quartier pour l'informer de leur intention de créer une association de vigilance afin de lutter contre l'insécurité et le vol. Le chef du quartier leur a apporté leur soutien. Ils ont donc fait toutes les démarches. Ils ont créé l'association et mis en place un bureau avec l'accord de la direction de la police de la ville de Niamey et la mairie. Et depuis là, ça va. Mais auparavant, dès que tu sors de Faba Faba, on t'arrache ton téléphone portable. Tu peux trouver aussi un enfant armé de coupe-coupe en train de vendre de la drogue, mais tu ne peux rien. Mais depuis que la patrouille a commencé, tu peux rentrer dans ce quartier et sortir quand tu veux. Tu peux également émettre des appels avec ton portable sans aucune crainte. Et puis ces jeunes ont même pu mettre la main sur des grands voleurs recherchés par la police. Ils font ce travail volontairement. C'est pourquoi nous demandons aux autorités de soutenir ces jeunes, leur apporter au moins de temps en temps une assistance financière pour qu'ils puissent acheter de quoi manger la nuit. Cette action est à euh, féliciter selon vraiment l'intervention de ce chef de quartier, le CNJ. Euh, qu'est-ce que vous faites spécifiquement pour accompagner ces jeunes euh, dans cette lutte pour le maintien de la paix Dans cette lutte pour le maintien de la paix, nous faisons beaucoup d'actions de sensibilisation. Mhm sur le rôle et la place des jeunes mm. dans la sécurisation de nos communautés, mais et aussi dans la contribution aux actions de développement au sein de notre communauté. Mm-hmm. Et à part ces renforcements de ces sensibilisations, il y a aussi des renforcements de capacités, des échanges, débats des fois, et aussi nous servons aussi de canal intermédiaire pour essayer de faciliter euh, la collaboration avec d'autres partenaires mm-hmm. et les FDS, mm-hmm. tels que les FDS, sur ces questions-là. Et c'est dans toutes les localités du Niger que les jeunes bénéficient de vos interventions Oui, mm-hmm. dans toutes nos communes d'intervention, nos départements et au niveau des régions, comme nous avons des membres à tous ces niveaux-là, des actions sont mise en œuvre par euh, nos jeunes pour permettre vraiment à, ce que les jeunes puissent contribuer euh, dans le développement de leur communauté. D'accord, Monsieur Isaka Moi euh, votre association, euh, elle est spécialiste, est spécialisée en études de paix, de sécurité et des conflits. Euh, qu'est-ce que vous faites vous en termes d'activité au sein de votre ONG pour inciter ces jeunes à cultiver Oui, en termes d'activité, nous d'abord notre plus grande activité, que peut-être nos abonnés connaissent, c'est nous avons une activité que nous avons intitulée Appel citoyen. Mm, Appel citoyen, qu'est-ce que c'est Appel citoyen, c'est une activité qui est destinée à faire des entretiens, bon, pas entretiens, mais à faire de clarifications sur euh, des facteurs qui, qui sont vraiment euh, d'actualité au sein de la société mm-hmm. pour partager l'information, pour partager aussi euh, des questions qui sont sensibles. Mm-hmm. pour essayer de toucher le, le, plus maximum possible la, mhm. population sur des questions en tout cas qui sont d'ordre général. Mhm, mhm. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris que à travers les réseaux sociaux, on peut faire beaucoup de choses. C'est que ce qu'on n'a pas euh, la possibilité de faire autrefois. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, si vous passez un message, vous avez la possibilité euh, de, de, de toucher des milliers de personnes autour de vous. Mhm. Donc, chaque, au début, c'était chaque deux semaines, nous faisons ça, nous prenons un thème, euh, comme euh, par exemple la paix ou bien la démocratie. Nous partageons, nous, nous faisons des vidéos mhm. pour partager et sensibiliser les, les jeunes. Mhm. Donc, c'est un appel, en tout cas, qui est destiné aux jeunes, qui, est, qui sert aussi de, euh, de, comment on appelle ça, qui sert en tout cas de de base. voilà, de, base mhm. pour euh, vraiment euh, faire changer les choses. Effectivement. Donc, ça, c'est la première chose au mhm. niveau de notre association. Euh, deuxièmement, nous faisons aussi des sorties à travers des focus groupes que nous organisons. Mhm. Là, c'est dans des quartiers un peu reculés de Niamey. Mhm. Nous partons, nous rencontrons des jeunes, nous discutons avec eux sur des questions de sécurité, sur des questions de démocratie. Mhm. Nous parlons avec eux. Nous essayons de les, faire comprendre que, euh, en fait, ce qui touche l'autre peut arriver aujourd'hui. Donc, il faut que, en ce qui concerne la sécurité, il faut que euh, l'opinion soit unique et commune. Et justement, est-ce que ces jeunes adhèrent positivement à vos idées? Au début, c'est difficile. C'est difficile parce que quand déjà on est habitué à, à, ce genre de pratiques, ça serait très compliqué. Mhm. Parce que nous, on ne peut pas les identifier pour dire que ceci, ce sont ceux-là qui font ça. Mhm. Mais nous, nous prenons les jeunes de façon globale parce que euh, nul n'est épargné par rapport à ça. Donc, ce, ce qu'il faut faire, c'est de prendre les jeunes, de discuter avec ça parce que euh, il y a une théorie d'un penseur qui dit que, par exemple, qui a parlé de la psychologie de la foule, en mhm. fait. La foule n'a pas de conscience, <laughs> ce que si vous allez voir, même lors d'une manifestation, si un enfant, un enfant peut être au devant, il mhm. prend une pierre, il jette. Tous ceux qui sont au derrière, ils vont prendre aussi, ils vont le suivre. Donc c'est comme ça. Maintenant, si quelqu'un commence à faire du bien autour de, de, de, de ces communautés, mhm. il va impacter beaucoup d'entre eux. Mhm. Donc il y a beaucoup qui vont les suivre, en tout mhm. cas, pour faire des biens. Mhm. Si quelqu'un commence à faire du mal, <laughs> il va aussi euh, recruter beaucoup, il va aussi euh, influencer beaucoup euh, qui sont... qui sont dans son environnement. Donc, ce qu'il faut faire en tout cas, c'est de faire un discours, c'est d'essayer de, de, de comprendre d'abord pourquoi ils font ceci et d'essayer d'apporter des solutions à travers euh, les sensibilisations et tout. Donc, je pense que c'est ce que nous faisons, euh, malgré nos maigres, <laughs> maigres moyens, mhm. mais on arrive quand même à, s'en sortir. en arrive Et vous pensez que la situation a commencé à changer euh, de par vos interventions je, pense que là où nous intervenons, ça va, mhm. ça va un peu, mais c'est pas satisfaisant. Mhm. C'est pas satisfaisant. Il y a beaucoup de choses qui, qui, qui doivent être faites et, mais qui ne sont pas faites malheureusement mhm. par manque de, moyens, par manque, donc vous voyez. Mais quand même, je pense qu'il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras. C'est pas une raison pour pour baisser les bras. Bakar, mais quels sont vraiment les grands défis auxquels euh, cette jeunesse nigérienne euh, doit faire face dans le cadre de la sécurisation de nos communautés Quels sont les grands défis euh, les grands défis sont d'abord euh, euh, la question de l'emploi. Il faut créer les conditions pour que les jeunes entreprennent et aussi les jeunes trouvent d'autres débouchés mhm. pour pouvoir avoir de quoi s'occuper. Mhm. Ça va permettre de minimiser les questions d'insécurité. Euh, à part ça aussi, il y a la question de l'éducation. Mm-hmm. Il faudrait aussi mettre l'accent dessus. Parce que lorsque les jeunes sont éduqués, il y a certaines choses euh, auxquelles ils ne vont pas s'adonner. Mm-hmm. Et aussi, là où il faut encore mettre de l'accent, mm-hmm. c'est sur la le changement de comportement, de mentalité des jeunes. Parce que euh, avec euh, la délinquance juvénile qui est en train de prendre de l'ampleur, mhm, mhm. il faut vraiment euh, prendre des mesures pour faire des, séances de sensibilisation, mhm, des dialogues intergénérationnels pour vraiment amener un changement de comportement, que ce soit à la maison et au sein de la communauté. Parce que l'éducation, c'est à partir de la maison. Mhm. dès qu'on rate cette base-là, ça ne peut que répercuter sur euh, la communauté. Mhm. Et justement, euh, quelles sont les perspectives d'action peut-être pour euh, un meilleur maintien de ces genres d'initiatives euh, de, défense des, jeunes, les groupes de défense que les jeunes ont créés Quelles sont les perspectives pour le maintien de ces genres d'initiatives, voire même étendre ces genres d'initiatives Les perspectives vraiment, mm-hmm. c'est de d'abord les jeunes qui ont commencé cette initiative c'est de prendre les bonnes pratiques. Mhm. C'est-à-dire les bonnes pratiques Les bonnes pratiques, c'est qu'ils font des biens dans l'initiative qu'ils ont fait. C'est déjà salué partout. Maintenant, pour pouvoir mettre ça à l'échelle. Mhm. Là où il faut renforcer, il faut, il faut amener des corrections, recadrer, mhm. avant de mettre à l'échelle. Donc, c'est de voir quels sont les ce qui les réussites et de les mettre à l'échelle au niveau des, des, autres communes et les autres régions. Mhm. D'accord. Alors, euh, Kamossi euh, sur quoi faut-il euh, vraiment mettre l'accent, comme l'a dit euh, de CNG Je pense par rapport à, à, ce groupe, parce que déjà c'est un acquis, mhm. c'est déjà créé. Mhm. je, pense que ce qu'il faut faire d'abord, c'est au niveau de nos FDS, d'abord, de prendre les responsabilités, de les encadrer mm-hmm. d'abord, mm-hmm. de, de, de les former pour qu'ils sachent comment faire à bien leur travail, mm-hmm. leur mission. Parce que la sécurisation de communautés, c'est pas euh, quelque chose qu'on peut négliger bien justement. Parce que c'est soit ça tourne bien ou ça tourne mal. Donc il faudrait prendre soin de très bien former, encadrer, sensibiliser ces jeunes qui, qui se sont donnés volontiers. Mm-hmm. Donc, c'est la première des choses. Deuxième, des choses, deuxième chose, je pense que euh, ces jeunes, euh, déjà, mm-hmm. pour leur, recrutement même, c'est pas n'importe qui qu'il faut prendre. Mm-hmm, il faut d'abord lancer peut-être, si l'État encourage cela, si c'est légal, comme euh, le commissaire vient de dire, je pense que c'est légal à travers la loi qu'elle a citée. Je pense qu'il faut aussi lancer un appel euh, un, appel euh, mm-hmm. de. Comment on appelle ça À volontariat. Pour que des jeunes qui sont intéressés rejoignent ce groupe. Et donc, mm-hmm. là, à travers ceci, on peut euh, avoir un champ, en tout cas, très bien formé, mm-hmm. maîtrisé et favorable à la sécurité de, de, nos, de, nos, communautés. Donc, moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire, et, parce que déjà, c'est déjà créé, c'est déjà fait. Donc il faut les, les récupérer pour une formation, pour mhm. euh, et pour des suivis également. Effectivement. Alors, Aboubakar, Bakar, euh, au niveau du Conseil national de la jeunesse, outre cette initiative de ces jeunes qui s'associent en groupe, est-ce que euh, vous ne pensez pas à d'autres initiatives pour un meilleur maintien de la sécurité dans nos communautés Bien sûr, on en pense toujours. Mhm. déjà, il y a on avait euh, initié beaucoup d'actions dans ce cadre-là. Euh, la question de rencontrer les mm-hmm. FDS pour discuter avec eux et voir dans quel sens les jeunes peuvent contribuer mm-hmm. à lutter contre cette insécurité. Mm-hmm. Et on a initié ça dans presque toutes les régions et ça a permis vraiment euh, de, rapprocher les jeunes de ces mm-hmm. FDS, mm-hmm. mais de permettre aussi une collaboration entre ces FDS et ces jeunes. C'est mm-hmm. ce qui a permis vraiment d'avoir certaines informations et pouvoir, pour pouvoir prendre certains, euh, en main certains criminels, mais aussi pour prendre des mesures en amont avant que certaines choses ne se passent. Mhm. Alors, euh, pour terminer, quel conseil euh, vraiment à toute la jeunesse euh, nigérienne Mon conseil, c'est de dire aux jeunes que la question de sécurité, ça concerne tout le monde. Mhm. Surtout nous jeunes. Nous sommes le présent et l'avenir de ces pays. Mhm. Donc, si on est dans un pays où il n'y a pas la sécurité, c'est que le présent et l'avenir est compromis. Donc on doit vraiment, euh, de quelque manière que ça mhm. soit, contribuer à, ce qu'il à lutter contre cette... Euh, euh, ce phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur, qui est mhm. l'insécurité. Mhm, mhm. Alors, euh, Isaac Mossi, euh, vous de votre côté, quel est votre quel appel à la jeunesse, à la jeunesse nigérienne pour le maintien de la paix Je pense que tout ce que je peux dire à la jeunesse, c'est de se responsabiliser, de se responsabiliser et de prendre son destin en main, et de ne pas négliger, par exemple, les métiers qu'il peut faire et sortir dignement gagnant. Aujourd'hui, si vous regardez dans la rue de Niamey, vous allez voir les petits métiers, entre mhm. guillemets, sont occupés par des étrangers. Mhm. Euh, aujourd'hui, ce, sont des Béninois, ce sont des Togolais, ce sont des, des mhm. Burkinabés qui viennent ici et prendre ce que les, les nationaux peuvent faire. Donc, je pense que, et là, c'est une question de responsabilité. Je pense qu'on doit prendre nos responsabilités, on ne doit pas négliger les métiers. Et je pense que si, tant qu'on est occupé à faire quelque chose, on peut éviter de se retrouver dans ce genre de, euh, des circonstances. Merci donc, euh, chers euh, invités, euh, chers auditeurs, auditrices de Studio Kalangu. C'est donc ici que prend fait cette émission où nous avons débattu autour de la thématique comment associer les jeunes dans la sécurisation des communautés. À travers les interventions de nos invités, nous avons compris que bien que ces jeunes soient souvent perçus comme les fauteurs de troubles, de plus en plus montrent clairement que l'engagement de ces jeunes est essentiel pour créer des communautés sûres et inclusives inclusive. Et d'ailleurs, c'est ce que démontrent certains jeunes à travers la création de ces groupes de défense. Il faudrait que ces initiatives soient recadrées pour qu'elles soient bénéfiques à, tout ça. C'est ici donc que prend fin cette émission. Merci à nos chers invités. Monsieur Abdrazak Aboubaka du Conseil national de la jeunesse, merci d'être venu. Issa Kamossi, président de l'Association des jeunes diplomates et politiques à AJDP, merci aussi. À la technique, c'est Isaac Lawali. À la, à la présentation, je suis Nafisa Adam Silfo. À très bientôt sur le studio Kalango pour une nouvelle thématique.